ñu ñëw ci euh, lu ni mel ak Ali Ali mi ngi noonu. waaw bon pour pour la tension la la doon damay toog ci lay wax bi mu ne ma ndax yow yéen. dina ko ah, bëgg a def la daloon sëriñ ba sëriñ ba dafa toog war a war a xëy suba war a ngénte xam ne dëkk ba yëpp boo fay kilifa dëkk ba yëpp dañuy màpp ñëw këram te yorut yorut amul sax lu mu defar yorut dara. mu xëy suba mu toog ba mu yàgg rek benn taalibeem ci jamono yàgg yooyu daal di ñëw rek ay waa 1960 daa di ñëw ne ko sëñ bi man ne damaa war a dem Côte d'Ivoire. micro bi damaa war a dem Côte d'Ivoire tukki ji te xam naa ne soxna si su ma ko fi bàyyee xaalis bi daf koy yàq 600000 yi daal dama la ko bëgg a dénk su ma demee bu bu soxlaa rek su ma ko woowee téléphone mu ñëw rek sëriñ bi ba day bëtam di jooy ne ko dañ laa war a jaaral ci barkaal xuraan xam nga doon bëgg a wax mooy. pour def la link li ñu waxtaan léegi ci wàllu immigration bi. li ko li waral tam. ci li ak ñu mënta wax mooy la pauvreté ak situation bi nit ñi du dundu yéen ci li ngeen di yëngu lan ngeen yaakaar ne mën ngeen ko am ay comme des éléments de réponse yoo xam ne en tant que financier wala économiste ci ci par rapport ak problème bi. Ok, nous avons dit di santaat di de bu euh, transition parce que c'est extrêmement lié hmm. parce que question économique bi hmm. mën na de euh, raison quand même pour que nous ñi euh, décourager hmm. mais nous wax rek décourager parce que réellement, si faire le koy nous devons faire jël temps hmm. lu mais pendant ce temps là ku ci nekk mën na ci gis boppam seet lu muy yëngu te hmm. jàpp si bu baax mais day aussi le euh, système économique et financier Nous organisons ko ba nga euh, inclusion financière bi dina généraliser wu ñun lolo on a une initiative privée pour regrouper des experts financiers autour de la question de l'inclusion financière Nous koy wax ay rencontre Firi Finance donc Firi Finance nous avons regroupé des experts ay kangam avons xam ne euh, outils financiers mécanismes financiers financières. Il y a un petit secteur au Sénégal et dans la sous-région Nous avons xamante ne naka pour améliorer inclusion financière naka la ban acteur bu nekk lan moo si war a rôle am ak ban été la ci donc euh, en passant donc euh, prochaine euh, édition bi ñu koy jagleel finance islamique donc finance islamique parce que dañu seetlu ne. Euh, innovation dem ci finance islamique bi am na boo fi defoon jamono yële ci je bis m'abuse mooy bu ñu fi mujjee. boobu lancement bi la woon lancement bi euh, thématique bi dañ ko placé won ci inclusion financière parce que euh, quel que soit thème bu ñuy traité day rejoindre euh, thématique bobu dañuy la thématique. atteindre yenn couches yi naka vulgariser la question financière et la question des financements en général ba nga on aura une les outils financiers hmm. et les acteurs auront une plus grande portée économique hmm. sur la population hmm. donc c'est objectif général mais mais par exemple man su ma je bon c'est vrai que le monde financier yoy dou luma luma ki trop mais par rapport li ngay wax ni dafa mel man ben genre nouveauté wala lo xamné dafa ki ci jamono aujourd'hui par rapport aux acteurs l'écosystème bi nga xamné mo fa nek yow bi nga ñëwé li nga li nga yor en terme d'approche ñoom nan lañ ko gisee ak ñi nga xam ne ils sont non gouvernants bi nga commencé ba léegi par rapport ak ce que tu def nga sa journée de lan xamal sa kii de lancement yaa ngi jëmaat ci dara est ce que boobu ba léegi yow nan nga gisee dañu dañu rafetlu implication yi parce que lancement la aussi xam nga nouveauté bu am si marché bi ñit ñi dinañ ne d' accord ñan ñan ñoo def lan lañ si jublu euh, naka lay demee nit ñi dañuy def euh, dañuy taxaw di xool waaw ibi seen bët di xool mais ñu ngi sant yàlla ba nga xamante ne euh, première édition bi nga xamante ne dañ ko parrainé woon euh, ministre des finances euh, Cheikh Diba ñëwul parce que dafa doon soog a installé wu boobu mm-hmm. jotul sax visiter ministère am carrément mm-hmm. mi ngi première semaine am yi woon mm-hmm. mais quand même ay acteurs am ñi nga xamante ne moo leen yilif ñeen ñi teew nañ fa ADP ma nga fa woon FONSIS ma nga fa woon ay waxtaan yu am solo jub na fa banquiers yi ñu ngi fa woon assureurs yi ña nga fa woon Euh, kon euh, waxtaan yu am solo jib na fa intermédiaire financier yi ñu nga fa woon aussi mm-hmm. euh, waaw. pour qui seetaan lan mooy finance islamique. alors finance islamique yow yaa ngi jiitu manga sa finance ah, islamique. Ah, ah, non non maa ngi doon ñëw li tax maa ngi lay tontu léegi li tax ñu choisir. thématique finance islamique laa lay wax parce que suñu objectif général loolu la mm-hmm. donc bu ñu taxawee tey dañu ne nañu commencer ci innovation yi dans le marché mm-hmm parce que defoon nañ ay diagnostic que né euh, fintech yi ñi ngi def sen entrée finance islamique mi ngi def entrée financement vert yi ngi def entrée et il y a plein d'autres nouveautés peut-être qui vont arriver mais ñoo des euh, nouveautés nouveauté ci marché bi tay mm-hmm. actualité là. Euh, on a choisi la thématique de la finance islamique parce que dañu né tay Sénégal mm-hmm. on est un pays à plus de 90 musulmans Si setlo né un taux de bancarisation mi ngi stagné ba tay à 22 bien que ñenn ñi sax ils le discutent pas parce que opérateur télécom yi dañuy wax né ok on est à plus de 80 80% parce que dañuy jël ñi am. téléphone ak compte Wave compte Orange Money ak yenen ak yeneen euh, di ko compté euh lolu du banque parce que bo soxla duñ la lebal hmm. fofu amul crédit xam nga fofu yow ya fay dañ sa xaalis véhicule hmm. d'épargne la hmm. euh, maintenant ñun li ñuy wax moy accès au crédit euh, euh tay nak lañ mën def ba yaatal ko té euh, population ñu bari dañu rétissa pour fay intérêt parce que dañu de ne dëppoowul ak sen diiné hmm. loolu tam il faut pas l'occulter hmm. on est dans un pays qui n'est pas un pays musulman mais qui est habité par des musulmans hmm. ñu si bari bayiwuñ ci xel mais ñi ci gëna bari bëri dañuy wax xaalisu banque lewul duma ko laal kon loolu euh, dafa nek caractéristique population bo xamné ne mënuñu ko ignorer on ne peut pas l'ignorer donc on a euh, une euh, technique financière un outil financier un mécanisme qui s'est mis en place ailleurs que chez nous et que nous avons commencé à adopter chez nous la finance islamique euh, kon mën na réponse mën pas début de réponse à cette problématique des financements mm. kon on ma une ci question Abdoulaye mm-hmm mu may particularité finance islamique bon yaa ngi ko doon la la la laalaale léegi mooy problème mu intérêt yeeg affaire yu demee waaw c'est une des particularités ñuy wax ne euh, intérêt euh, dafa xaraam ci finance islamique mhm. ñu koy wax riba mhm. donc euh, finance islamique mooy bépp mécanisme financier bu ñu mettre en place bi nga xam ne dafay dàq intérêt de mooy dàq riba dafay dàq des certains secteurs proscrits dafay dakh yenn secteur yi nga xam te l'islam nangou ko mhm. dafay dakh également euh, lepp luy spéculation manam mhm. ñuy jëyee jëndé juróom jaay ñeent fukk lañ koy bañ euh, également dafay dakh lepp lo xamné c'est pas éthique wala c'est pas utile mhm. dafa dafay prôné dal euh, lepp lu ñuy financé mu wara a doon loo xam dafa wara amal njëriñ askan bi et que ça doit être juste et équitable lool moy finance islamique en tout cas loolay charte loolu koy tënk donc képp kuy jël say finance nga tënk ko si loolu et si ni nga koy doxalee. Mhm. nga ngay doxal loolu te di ko bind ba mu leer. Mhm. te di ko doxal aussi dañuy jàpp ne yaa ngi ci charte finance islamique. Mhm. noonu lañ koo mën a définir daal. jamono bi ban taxawaay ngeen war a mën a am ci jeunes yi nga xam ni jamono bi amuñu xëy amuñu. <laughs> Pardon, ya cara. Papi, botar me, botar me am luma leer. não, não. d'accord na vice. Moom Ablaye Jody lay wax. Té não nag moom finance mënul mënul mënul indi réponse ci emploi mais xam nga lan la mën indi réponse mm. ci projet yi. non waxuma emploi de. waaw ci ci ci Não, yi amul li xëy. taxawaay ngeen ci mën am. waaw keñ mooy projet yi. Mm.

yow benn nit kay da ngay problème mu secteur secteur bi yëpp mënul nekk. ku ci mm-hmm. nekk da ciy dox li mu ci mën a dox keneen def leneen léegi mu sotti. Mm-hmm. donc suñu nee euh, tey jeune porteur de projet. Mm-hmm. Euh, la plupart yi ñuy gis tey ay porteur d'idée la. parce que dañuy ñëw euh, nga toog ak kii. Abdoulaye. mu nekk journaliste. di la wax gis nga man gis naa. usine buy fabriquer ay couche affaire yooyu jaaroon naa fa time stage xanaa xam temps damay jënd couche <laughs> jaaroon naa fa time stage te gis naa ne ñëpp ay jënd couche Sénégal yaakaar naa ne su ma ko defee dina dox a jeex man moo ma jaaxal su tolloo foofu du ñu jàpp ne projet la kooku su seetee banque hmm. dix fois ñu refusé ko ko di fois day ñëw di wax man pourtant bind naa projet bi hmm. laajte naa ba sonn waaye dañoo bañ hmm. il faut ñuy waxtaan ak xalé yi di leen former di leen teg ci yoon di leen wax naka la ñuy cheminer ak naka la ñuy eggee parce que tey ji euh, am nañ ay incubateur il faut ñu xam ne ça existe dans l'écosystème financier mm. am nañu ay ay ay ay euh, état bi chambre de commerce yi ngi fi. Hmm. mairie euh, voilà dañ lay structurer. Hmm. bo ñëwé ñu xol ce faisabilité projet la de faisabilité déjà. Hmm. faisable ñu wax la faisable tam on l'obligation ñu wax la carrément li faisable. Mhm. lan mooy point faible projet bi nga bëgg a doxal en tout cas ci ni nga ko présenté. Mhm. jàppale la ci ni koy présenté jàppale la si ni koy porté jàppale la si euh, élément financier yi du n'importe qui moo koy def loolu métier la. Mhm. donc nit ñi dañuy wax après étude de projet yi dafa cher il faut avoir des objections. étude de projet mën na dugg ci biir projet. mën nga mettre en place un mécanisme ba nga xamante ne étude de projet bi mën nga ko financer ci biir projet bi. soo trouver que lay accompagner ba pare. Mhm. Donc, vous y a toute une sorte de panoplie de mécanismes. information comme asymétrie d'information de l'information c'est ça mais il faut que nous nous projet mécanisme pour nous naka la naka la écosystème financier bi mm-hmm. Mm-hmm. ak lan contrainte écosystème bi ñom mm-hmm. rek ci banque ni ils vont essuyer un refus parce que banque la mise à disposition rapide des fonds puisque même dans le cadre de la migration irrégulière gis nañ fi ay structure des programmes de qui xamné te mettent deux millions nga dem jox ko passeur bi pour pour dem parti la lay expliquer donc lolu normalu sax mm. parce que bala ñu lay jox fond war nañ tester ce projet éprouver ce projet xol yow en tant que porteur de projet quelle est ta motivation mm. nak ndax am nga yow euh, capacité managériale bo buñ la joxé xaalis nga mëna doxal projet bi ndax am nga discipline financière bobu c'est que ni nga wax dafa am importance même dans les entreprises que bëgg liggéey sa daan la mm. mën wutuma wutama liggéey nga ne ko la def mëna luma am baax na luma am baax na baaxul

pour wane ne lépp looy def da nga ko war jox geudam da nga ko war jox. mais mais contexte bi naka la ñu mën def ba ñemele Sénégalais ak banquier aussi souvent Sénégalais yi euh, euh, dañu xawa a. daa aspect condamné ba tay daa mel ne ñu ko yoro ba tay ah <laughs> mooy li ñuy mais ça on la waaw ah, loolu la ba paré aussi les communes

fekk gis garab goo xam ne gas ko fa suul mooy xam nga mu njëkk photo yi xam nga photo yu njëkk boo photo da dem ñu sotti ko mu dem photo photo ko ba pare bi mu demee bay ba pare ci la gis dëgg am na waa ko <laughs> ah, loolee mu jot daal li ji rek <laughs> ah, <laughs> ah. non banque non banque xam nga li tax parce que nit di toog sax te deful dara mm. parce que mm. xaalis boo koy mm. dugal ci banque wala nga koy dugal ci poche wala foo ko mënta def ñàkk am culture bi la ñàkk am culture bi moo tax ñun ñëpp ñuy comporté woo noonu. gis nga euh, Souleymane wax na lu am solo sànq. Mm. Mm. il a touché la question de l'épargne. Mm. nee xale bi am 300000 di ko dajale. te am jotu di ko dajale te defu si leneen ah. parce kooku saay bu xëyee yaay mi ngi laaj te amu ko. te mu ngi fas mu ngi tëdd ci <laughs> xaalis bi di ko dajale. pourtant am na discipline u dajale ko pour mm. tukki mm. bés bu amé projet lan moo tax mënul am discipline u dajale ko pour joxe apport bi ko banque bi di laaj mm-hmm. ñu né dafa metti mais mais dafa am crise de confiance aussi mm. entre les les euh, euh, sénégalais ak ak les banques aussi hein, il faut le dire loolu tax banque qui a pris l'argent d'un sénégalais de ak mom bah non c'est vrai mais c'est un endroit sûr mun côté parce que ah. dañu culture bi ñu wara jang sénégalais ak ak tamit xam leen ko loolu mooy problème mais aussi il y a un problème problème de confiance fii aujourd'hui tey sénégalais yu bëri soo leen waxee waxu banque wala affaire yooyu itam des fois c'est ça de hein? des entrepreneurs des entrepreneurs. waaw wala ngay dem nga bëgg a prêt ñu lay laaj loo xam ne bon des fois c'est ça aussi. Ah. moo tax ma ne la par rapport à demee en Europe wala en Occident banques même les étudiants wala même tu faire des prêts pour pour financer tes études wala yooyu fii nag banques on a l'impression que ñoom duñ jël benn risque aussi. les assurances risquent des banques. les banques prennent plus de risques en Afrique qu'en Ah bon ah, loolu la suñu information hein. oui oui oui. non non non man kay je ne dis pas que le contraire man man man man cette cette perception bi ma c'est le financier qui parle parce que. waaw man perception bi moi, amoon les banques fii duñ jël benn. waaw erreur la xam nga man mosuma leen a leb sax. te yàlla man parce que taux de taux de casse bi am. am na banque mo message xam nga lu ñuy wax xam nga lu ñuy wax taux de casse. <laughs> ah bon casse mooy xaalis. xaalisu banque yi. Ah, bu ñu la bu ñu leblee. ñiy fay ak ñi dul <laughs> waaw yaa ngi déglu may ma ma daaneel ma xam nga luy taux de casse. waaw mooy banquier bi li muy leble. li mu liñ koy fayaat ak liñ ko dul fay. maanaam bu bu ñu lebaloon ñun ñii ñëpp. Hmm. bu xaymaa ñiy fay. ñaaray fay ñett ñi duñu fay. bés bu banque européenne eggoon foofu ci taux de casse boobu day tëj filiale bi dem. ci léegi yéen ci ban ban taxawaay ngi dem ñooñu bañ a fay. mais eggul foofu par Afrique taux de casse bi fi am seen record xam nga li tax taxawaay bi taxawaay nit ñi bañ a fay. Hmm. culture la. moi le culture ou a fay là parce que fii da koy gis si ça a beaucoup évolué. Hein, oh ça a légèrement évolué mais agios, les commissions. il y a beaucoup de choses. aujourd'hui la gestion d'un compte bancaire dans les pays développés c'est amu aussi. waaw mais loolu tax ñu mën fa egg mooy li ma la expliquer gis nga boo bëggee ñu egg hmm. ñun suñu discipline koy may. Hmm. parce que banque bi moins mu jël risque. Hmm. plus mu peut rentabiliser ay actifs Moins plus moins muy charger taux les âge C'est une spirale et c'est un tout. J'ai que ma belle sœur qui est bancaire ba tout le temps dañu am choc. Euh, non risque bi <laughs> dafay provisionné il faut comprendre que uh-huh. que moo tax ma ne balaa ñuy wax nit lii euh, nii lay demee ñëw leen dina leen mën financer. Mhm. il faut que ñu wax leen naka lay. fonctionner sensibilisation sensibilisation sur la sur la réglementation. bi nga xam ne day tënk banque parce que banque xaalisu jàmm lay liggéeyee. Mhm. gisez le secteur informel en fait vous qui êtes dans ce milieu dans ce monde surtout des finances islamiques et autres le travail que vous devez faire aujourd'hui moi manga mm-hmm. effectivement c'est ça il mm-hmm. y a une crise de confiance entre les structures bancaires et les populations lui un exemple tu peux voir aujourd'hui un jeune dans le secteur informel euh, chiffre d'affaires il te il fait ben 40-60 millions mm-hmm. mën yobu millions aux banque mais il y millions yi mu ngi koy jën ci këram xam nga pour lan. pour en cas bu amee jafe-jafe ak banque mu am secours alors que mënoon na jël 60 millions bi yëpp. dugg si banque bi moo gën a am secrétaire banque bi lebalaat mm-hmm. parce que banque bi am clarté ak lisibilité si li muy def. beneen problème également loolu crise de confiance. Mm-hmm. beneen problème également bu am. Euh, en général les Africains et particulièrement les Sénégalais. Mm-hmm. surtout ceux qui sont dans le secteur informel. ne sont pas sensibilisés aux mécanismes des banques. Absolument c'est-à-dire les taux de prélèvement, les taux d'encaissement, les agios, comment ça fonctionne, à quel moment on fait les qui, par exemple, les, les, les, les, les contrats de, par exemple, les contrats de SMS, les contrats de banking. Mais l'autre, parce que les clés de l'Union, nous avons le SMS. D'accord, les 2000. Imaginez ce compte 12 000 francs, nous avons fait 2 000. 2 000, c'est le président. Pour moi, la personne n'est pas trop bien formée pour mu xam li par exemple dans 3 mois. dans 3 mois dañ ma dagali dans 2 mois dañ ma dagali sama compte bu yeggee ci 50000 mille. <laughs> dootuma mën def ben opération. allez tontu foofu ah, gaaw mais sensibiliser une sensibilisation loolu ñu tax a jóg sax ñun mm-hmm. euh, loolu si loolu lañuy do nga annoncer walé sen date événement bi ñu euh, jeexale foofu dem ci Pambay vite fait nga may ñu ko rek Mamour s'il vous plaît. comment ça mm-hmm. fonctionne finance islamique bi ñuy indi. Euh, boo dindee intérêt yi et ñu dindee intérêt ci finance tey day tax ñi a banques parce qu'il y a pas que les banques mais il y a la microfinance également Il y a l'assurance Takaful donc on va parler de tous ces sujets là lors de notre prochain finance euh, le secteur l'écosystème euh, des islamiques des finances islamiques vous, vous, avez les banques islamiques vous avez les microfinances islamiques vous avez l'assurance islamique vous avez même maintenant la bourse euh, bi on a lancé ici des obligations takaful qui sont complètement islamiques lui financer un projet d'État waaw donc état du sénégal jël na ko mobilisé na ko euh, léegi seen événement bi léegi lan ngeen ci xaar ni événement bi daal liñ ci xaar mhm. mooy képp kàngam ñëpp ñu xarañ ci finance islamique dañ koy mhm. ñëw di waxtaanee mhm. bu ñu ñëwee li ma wax ni yëpp compartiment yëpp dinañ ko waxtaanee définir ko lan mooy finance islamique ñëpp dégg ko ñëpp comprendre ko wax waxtaan ci écosystème finance islamique mooy acteurs yi ci nekk ak acteur bu nekk lan moo ci rôle am ak ñan ñoo ci nekk tey fii sénégal euh, kan moo fi acteur Euh, dinañ waxtaanee également naka lay fonctionner mm. lan lay bañ lan lay bëgg ak lan la ñu mën a jural euh, lu baax ci économie réglementation waa banque centrale dinañ fa ñëw waxtaanee ko mm. le 19 bi lay doon donc le sujet phare mm. ça va être euh, la finance islamique comme levier de financement de l'économie sociale et solidaire naka la ci gox goxaan yi mën a jotee ba finance islamique boobu mën a suqali seeni projet ah am nañ ci yaakaar bu baax am nañ ci yaakaar am na solo le 19 septembre lay doon Radisson Blue Hotel. merci incha allah. Euh, Ali yow comme na nga nekk ci rédaction bi dañ lay bàyyi ak journal bi euh, ma dem ci euh, fi ñuy tëjee ak Pape ji ñax mooy lu jëm ci kàddu bës bi lan nga indi tey. maanaam <laughs> maanaam. maanaam loolu nag buñ ko dee faram-fàccee maanaam ndobin moom ku ne xam na ne raw. àll la nga répété waat ko. ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw. Mhm. maanaam ku ne xam na ni ndobin moom ci àll lay nekk te daa gaaw ci faagaagal. Mhm. gaaw ci rey. léegi nag imagine toi ndobin day ñuul moo tax ñu ni bu ndobin rayee sa maam boo gisee lu ñuul automatiquement rek mm-hmm. sax xel na xalaat ni mm-hmm. kii kat moo faagaagaloon sa maam kon waru la fee mën a fekk mm-hmm. loolu nag day dikkaat ci ci ñun ñi nga xam ne ay sénégalais rawatina ñu nekk ay jeunes ci phénomène bi ñu nekkoon léegi gaal gi boo xoolee li muy faagaagal yow foofu boo gisee sax fu nuy tëggee gaal waroo ko fekk man gis naa ku kuñ interviewé Mbour mu ne moo nekkoon deuxième fois mais après muy génn sensibiliser ma ne ko yéex ngaa sensibiliser. gis sensibilisation boobu mu nekk nag. moo nekk méthode boobu mu wax parce que moom daa gis dugg xam la nekk ca biir. Mhm. ak méthode wa ca nekk. Mhm. moo tax mu ku di sensibiliser waat. Mhm. gis nga kooku tey jii bu gisoon kuy tëggu gaal. day dem dénoncer leen. Mhm. moo tax ñu ne ku ndóobeen ray sa maam boo gisee lu ñu daw muy nekk expression yu am dañ koy baaxoo di ànd ak moom. Ah. Mhm. ndax euh, mhm. expression yooyu suñu mag ñi ñoo ko daan utiliser. mu nekk ay cax yoo xam ne dañ la ko wax automatiquement ci saasi. da daal di junj da daal di comprendre. li nga xam ne moom lañ la bëgg a cax. am na solo yow nag boo da nga koy daal di caaxee rek automatiquement génn. jéeg jaar ci beneen étape mag ñu baax ñi ba dem ci almaktum am na kàddu yoo xam boo ko jëlee day gàtt mais dafay ëmb njëriñ ma joxe exemple sëñ Fall bi waa ji ñëwee ne ko man de sëñ bi kër laa bëgg mu ne ko wax ko ñaari mu ne kër kër mu ne déet kër kër rek booy kër kër waaw ay bàkk la yoo xamante ni dafay dafay ndaw mais dafay ëmb lu bëri donc loolu aussi c'est important euh, ñu ñu bàyyi ko xel euh, amoon nañ mbégte ànd ceeg yow ci ah. jaajëfal bu baax a baax ku mel ne Serigne Fallou Fallou Sène parce que daf jàppale tey rek ndeysaan tey rek ñu ngi ciy waxtaanaat ci proverbe bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di souhaité nag happy birthday ah, koo xam ni ñëw de mban la waa Régine du tax yi rey suñu maam yi ñu bëgg a <laughs> eh, a ah? yaa ngi dégg c'est une belle yaa ngi dégg waaw Moussa la célibataire la mais très belle naa dañ ko ciy dikkalaatal ba parce que xaj bi ah, waaw xam naa dañuy souhaité happy birthday nag koo xam la suñu xarit la suñu lépp la muy Aïssata mm. borom la 15 guddal fan amal wér woon amal jàmm yàlla na sa jàmm yàlla jërëjëf merci beaucoup amoon nañu mbégte ànd ci yow Pape Mbaye Djignakh jaajëfal na la merci beaucoup ah, Safi <laughs> xool nga ma de lan moo tax ma lay xool fer xool na ma de kii dafa garaaw booy kot kot la ma doon lay am na tàggatool ni merci beaucoup merci beaucoup maa ngi bu baax ñi may di ci eh, finance vraiment dañ ko euh, si suñu expérience expertise mm-hmm. Mm-hmm. def ko complètement mm-hmm. gratuitement euh, jagleel ko askan bi mu euh, une initiative privée du bénévolat di ci jàppale ñi si xam-xam professeur yu xarañ fa waxtaan ku professeur Mamadou Lamine UGB Amadou di docteur Moustapha euh, Baldé dina fa euh, y y'a le professeur euh, le docteur pardon Adama Dieye mhm. aussi ñi ko ñi nekk ci finance sami dinañ ko xamé mhm. dina fa ñew am fa waxtaan bu am solo ay expert yu bari dama leen bëgg sargal parce que dañ koy def gratuitement tamit ñu mhm. remercier leen ci télé dina leen gën a sawarloo y a également le docteur Mouhamadou Lamine Mbacké nous avons la BCAO e qui va envoyer ses cadres pour parler de la réglementation bancaire la banque islamique de développement également Le euh, ministère des finances normalement également remercier d'avance merci beaucoup euh, par le biais de RDV Nous invité merci El bon la situation est là on nous annonce le président de la République à Hambourg. Vraiment, c'est ce qu'il faut, à de mm. pareilles circonstances, c'est de sortir, rassurer un peu les populations, exprimer sa compassion par rapport à la population. Euh, gis nga ñu ngi wax waxu xeexu migration mhm. irrégulière mhm. nañu gérer exode rural bi mhm. amna immigration irrégulière bu jógee ci kër kaw gi ñëw ci taxi tamit <laughs> c'est important bonne bonne transition en perspective gis na ñaar génn fi yo xamné aussi mën nañ ko bolé ci yeneen débat en tout cas merci beaucoup à Régis yëgalu ci xaabaabal gi journal ba ñu xaar 19h bi ak 20h Ndeye Fatou Diop Diouf ak Roy Fall Diouf ci kàllaame tubaab di Molière euh, jaajëfal leen suba ci wax ci Fatima euh, ba sëy moom ma fi wutu ak yeneen i eh, invité am eh, ak ëllëg man maa ngi leen jox dox daje suba ci journal bi 13 bu soobee sunu borom eh, yàlla nañu defal jàmm ndax jàmm gën jamaata fu mu am jàmmaarlu